julli ci yonent bi tay rencontrer nañ ministre bi ak akhlu lamb moy li bëggone ñew jëbël ko suñu mémorandum biñu duggé ci bir waxtaan nañ ko wax nañ ko li ne suñu xol parce que tranche d'âge yëpp daje nañ fi moy ñom Mbaye moy benen beneen tranche d'âge bi ñom Yékini ñom tafagay moy benen beneen tranche d'âge bi mooy yi nga nek en activité donc mom amna amnañu amnañu nañu am nañu yaqin ni am am ni am nañu ni ministre bi moom mi ngi ci prérogative bu xoolaat mébét yi nga xam ne moom lañ ko jox te tontuñu ci diir bu gàtt mais ci poñ buñ ci ne waxtaan ak ñun lu dal suñu xel wax nañu dal suñu xel waaye nag boo ko jëbalee kayit dana ko liggéey ak techniciens yi te fi ñu jëm tôt ou fédération la mais dafa laaj ñu liggéey ci ak techniciens yi processus la defar les tous les documents pour nga xam ne buñ fay yegg euh, danañ mën a liggéey ci jàmm incha allah waaw lu leer naññ parce que nee na processus la loo gis processus la nangu na suñuy point waaye lépp nee na yéen yéen moom làmb danañ ci ànd ak yéen amaat yeneen discussion waxtaan ak ñëpp buur liñ ko wax ñu tenir ko ba nga xam ne dinañ ci mën a gis suñu bopp incha allahu rabbi nee na ñu wóolu ko ñu am confiance moom wóolu ko pour mu wóolu ko comme ni ñu wóoloo en on est venu on est venu euh, rencontrer le ministre pour lui donner notre mémorandum. Tous les tranches d'âge étaient ici les Mbegei, doubales euh, la génération de tafagay Yekini Boy kayré Khadim tout le monde était là et la nouvelle génération. Le ministre nous a dit de lui laisser les prérogatives de travailler sur ce document. Et il va revenir travailler avec nous. Le contenu du document, c'était quoi C'était notre mémorandum. Notre mémorandum, il y a euh, le problème des assurances, le travail pour aller, euh, pour qu'on change le CNG, pour qu'on revienne sur une fédération. mais une fédération, c'est un processus. Le processus, il va travailler avec ses techniciens pour qu'on y arrive avec euh, plus de, plus de techniques. Par rapport à l'arène nationale, il a dit que c'est l'arène nationale des lutteurs. Il y a beaucoup, plusieurs points. Donc, on, va le laisser, on va lui laisser les prérogatives de travail sur notre document avec ses techniciens. Il va... Non, si, on est optimiste parce que c'est euh, il nous a pas les garanties, il nous a expliqué clairement que l'arène et la lutte appartient aux lutteurs. Donc on va essayer de euh, trouver ah un, terrain d'entente sur, sur le règlement et aussi sur, les, sur le document qu'on a donné pour qu'on trouve euh, un point de... Un point de pour qu'on trouve... Oui, bureau national provisoire pour l'association nationale des lutteurs. Mhm. On va essayer de monter mhm. un bureau, une association nationale des lutteurs. Il y aura les Mbeigei, la génération de Mbege, il y aura la génération de Tafagei, et il y aura aussi notre génération. Donc on va, on va monter euh, dans la semaine bureau, un, bureau provisoire, Inch'Allah Rabbi.